Boubacar Sow. Boubacar Sow. oui. fan nga dëkk. Kolda. kañ nga ñëw Dakar. Ah, neuf mois comme ça. neuf mois. ku la indi Dakar. qui hmm. t'a amené à Dakar. c'est mon frère. sa frère. oui moo la indi Dakar. oui doo la indi Dakar pour que tu fasses quoi. il Et pour faire les avions là. Les avions là Oui. Euh, euh, avion, et quand vous commencé Depuis ton enfance. Depuis, depuis que tu étais enfant Oui, oui. Là-bas, à Colda Oui. D'accord. Et une fois ici, mhm. qui t'a aidé Qui t'a aidé à acheter les matériels C'est mon frère, et lui là. Lui Mon ami là. Oui. Ah, oui. David. Qui t'a aidé à acheter les matériels. Oui. Et comment, comment tu fais ça euh, C'est faire ça. Euh, carton, tôle. Carton. Tôle. Tôle, c'est quoi Le tôle Zinc. Zinc. Peinture peinture. Ah. extra, extra. Euh, l'avion qui est derrière toi, hmm. tu l'as fait durant, pendant combien de temps Tu l'as réalisé Ça fait combien de temps Un mois comme ça. Un mois Oui. Et qu'est-ce que tu as utilisé J'ai utilisé ça, Il y a beaucoup de matériel. Beaucoup de matériel Oui, fer, zinc, soudure, peinture, mastic, ça tout aussi Ça t'a coûté cher Oui, oui. C'est cher. Et euh, pourquoi avoir choisi de faire ça Comment évolue euh, hmm. le don de pouvoir faire ça ah, Ça, ça c'est... C'est don de Dieu. C'est don de Dieu. Oui. Étant petit, tu regardais les avions ou quoi Pourquoi le choix des avions ah, Parce qu'ils aiment les avions. Ah, tu aimes les avions Oui. D'accord. Et euh, tu, as, tu as fait aussi, euh, on a vu d'autres maquettes. Oui. Des voitures oui. et tout. Tu voulais diversifier mm. Oui, c'est fait la voiture et euh, maquette Juma Touba aussi. Maquette Juma Oui. Ça t'a pris combien de temps, le maquette Trois semaines comme ça. Maquette du Matouba, trois semaines. La maquette t'a pris trois semaines. Oui. Et les voitures Les voitures là, l'autre là c'est quatre jours. C'est Quatre jours, une semaine, il y a trois semaines. Une semaine. Mm. D'accord. Et l'avion, mm. euh, ça démarre comment Il y a des moteurs ici maintenant. Il y a des moteurs. Mm. Tu as acheté les moteurs Oui. Mon frère m'a acheté tout. Et avec de l'essence ou bien... Oui, c'est de l'essence. C'est de l'essence Oui, c'est de l'essence. C'est de Oui. D'accord. Et après, qu'est-ce que tu veux faire Faire pourquoi Qu'est-ce que tu veux faire Tu veux vendre ça, exposer ça Qu'est-ce que tu veux faire Non, non. Ça, là, c'est exposition. C'est exposition Oui, exposition. Tu vas avoir des commandes ah, J'essaie de voir les j'ai essayé de. Continue. Après, il va, il va J'ai essayé de gouvernement. Si Je demande aide. Une aide. Oui. Pour pouvoir perfectionner ça. L'avion, hmm. tu conduis ça ou pas Mais ça ne descend pas d'ici. Oui, oui, pas encore descend.

ba mu jógee ba mu jógee Kolda ñëw ba léegi nangu wul def dara si kaw rek lay yéeg di wàcc di liggéey yu mel nii comme daal saa yu wàccee day ànd ak man dem jënd ji carton wala dem mu yóbbu ko benn magasin moom mu jënd ñoo defar yaa ngi dégg te boobu ba léegi wax dëgg fa yàlla ba mu defaree avion bi un mois la mais ay kilifa seet si nañ ko fi mais zéro ak li ñuy ñëw wax fii mais boobu ba léegi ba ñu demee zéro ay kilifa nag ay directeur de l'artisan président de chambre de métier Sénégal mais ba léegi te ma dama yaakaar lu mel ni ku ko defar nekk sa biir dox defar lu mel ni si biir dëkk bi ki dañ ko war a jàppale mais def nañ la tout fu nekk na lañ jaar. yan ñoo ci ñëw. RTS ñëw na fi Sen TV ñëw na fi. Euh, BBC BBC BBC ñëw na fi. comprendre ak yeneen télé yi nga xamante ne xool la ñuy jox rendez-vous sax mais ñu ñoo dem ba mujj bi sax sawaratuñu benn tele ñëw parce que ñuy ñëw li ñu lay wax ak li ñuy def ça fait diamétralement opposé BBC ñoo na fi ma ngi si ay discours am jàpp na si ba def fa ko documentaire ba nit ñi gis fa di ko téléphone di di ko delloo njukkal comme li nga bii nii du benn bii mu defal nii jumaa ji nii di kon na si defaral benn yóbbul ko kilifa bi Cheikh Béthio may ko xaalis bëri comprendre nga pourquoi pas autorités yi nekk si télé bi ay ñi nga xamante ne ñoom ñooy yor télé yi kon yenn télé yu mag yi mais avion baa ngi lii mën nañ ko def logo

Nous ce que nous avion pour déplacer ko faut hélico. wala camion gris mais peut-être que nous amuñu moyen parce que nous avons nañ camion gris bi la mais par la suite nous avons avion bi autorisation. avion autorisation.

ASECNA. ASECNA. ASECNA. waaw ASECNA waaw waaw. ñoom ñoo ñëw. mais après ngeen bàyyi. waaw mais après demoon ngeen tamit euh, exposition foire. foire waaw demoon nañ foire amoon nañ fay contact yu bëri. mais comprendre amoon nañ yeneen télé yi nga xamante ne xamuñu leen sax. mais foire bi naka la demee woon. wóoy naaj sax parce que foire bi foofu bañ demee ñun suñu côté amoon nañ yenn contact mais waa foire bi si boppam ñi ñu nekkaloon du. ale du retour xaalis bi nga xamante ne jox nañ ñu ko nañu jàppaleen si lii te exposition nit ñi suñ fa ñëwee. ku leen yóbbu ñun dañoo dañ ko lijjanti rek par rapport ak kii Ndeye Mbaye euh, moom moo nekkee de des se kii Guédiawaye fii.

da Aïdara Géejawaay la dëkk ñu dëkk Géejawaay mais gis nga Ahmed Aïdara danaan euh, Géejawaay laa bokk moom loolu la wax mais œuvre lépp lañ ko yónnee xam nga la ñuy wax si œuvre yi message WhatsApp yaa ngi nii lu ñu wax si œuvre yi mooy macha allah rafet na fan ngeen dëkkee mais ba tey mais ñun léegi su fekkee moom mu ngi fi moom moo moom kàddoom moo mun a yéeg si kaw ñun suñu kàddu àggagul foofu suñ ko wooyee pour mu jàppale ñu daf ñu war a uyu si te lii Géejawaay la mais mu ñoo fee ba amay ay dara ñëw comprendre message ça la bëgg ngeen jàpp xamante ñun même sans mom def nañ la tuure pour mu japp ñu mais ñun ñong ci si yoon waaw légui lan ngeen bëgg mom lan la bëgg mom qu'est-ce que tu veux. <laughs> qu'est-ce que tu veux concrètement. à travers ces maquettes. ah waaw je ah, fais rien comme ça d'abord. perfectionner qu'est-ce que tu veux. attends d'abord tu moi je faire des eh, études. D'abord, oui. Voilà. Pour perfectionner. Voilà. D'accord. yow. waaw mu ngi koy jàppale a jàppale moom si affaire yi nii. mais magam magam mi koy jox xaalis bi tamit euh, du du du kii benn yoon lu mu ko laaj rek mu jox ko. non mag yi moom su lu woon moom lii du àgg ji mag yi lu Boubacar soxla si matériel da koy financé da koy financé. amul benn financement amul benn kii bu euh après da ngeen ñu wan lépp naka lay doxee mais la lan ngeen di tëjee. waaw man mom lu may tëjee mooy autorité yi ko waaw affaire mom dem na bu sori Sénégal yëpp la ji parce que télé bu nekk jël na ko mais ñu jàppale ko. suite daal parce que amul suite. amul suite Ahmed Aïdara su ñu déggee mu ñëw jàppale kii doomu géejawaay la d'accord. Hmm. c'est bon. ok tu le montres. foo taxoon ndaanaan misaal